le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Auditeurs et auditrices des programmes du studio bienvenue dans le Forum de la presse. Le Forum de la presse est notre rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine qui s'achève. Au menu du Forum de la presse d'aujourd'hui, la situation sécuritaire qui prévaut dans la région de Maradi, à l'impact de la fermeture depuis deux mois des frontières du Nigeria, à Difa, l'actualité reste dominée par les inondations qui ont fait plus de 23 000 sinistrés et à Agadez, nous parlerons de l'éducation car de nombreux élèves sont à la maison faute de classe emportées par les inondations de la saison des pluies. Pour analyser ces faits de l'actualité, nous recevons des témoins oculaires. Ce sont nos confrères qui travaillent dans ces localités. Par ailleurs, ce sont les correspondants régionaux de Studio Kalangou. Il s'agit de Mohamed Maman de la radio Garquois FM de Maradi. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Moussa Maman de la radio Nomade FM d'Agadez. Moussa, bonsoir. Bonsoir. Mustapha Maman Sani de la radio et télévision Gaskia de Zander. Mustapha, bonsoir. Oui, bonsoir. Et Lawan Boukar de la radio Amfani de Difa. Lawan bonsoir. bonsoir. Bonsoir. À la présentation, Alassane Kouzi Mahamadou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le forum de la presse de ce vendredi 25 octobre 2019. Nous ouvrons ce forum par la situation sécuritaire qui prévaut dans la région de Maradi. Depuis quelques mois, certaines localités de la région connaissent une recrudescence de l'insécurité du fait d'hommes armés qui sèment la terreur avec des enlèvements récurrents. Nous avons donc euh, un de nos confrères avec nous, le correspondant de Studio Kalangou à Maradi, Mohamed Maman. Bonsoir. Bonsoir Alassane. Voilà, Mohamed, par rapport à cette situation sécuritaire qui prévaut dans la région, à quel moment les groupes armés et autres bandits ont commencé à inquiéter les habitants et commerçants de certaines parties de la région de Maradi Merci Alassane pour euh, cette invitation. Euh, donc, pour, euh, il faudrait le dire, cette insécurité était vraiment résiduelle. Résiduelle et concernait les localités qui étaient le long de la frontière. Donc, c'est Madaronfa, Gazawa, Tessawa. Et euh, il y a de cela plusieurs années, c'était vraiment des bandits armés qui venaient juste pour euh, voler du bétail, pour euh, retourner au Nigeria. Mais cette insécurité a pris donc des ampleurs l'année dernière, avec donc ce vol de bétail qui s'était transformé euh, des attaques vraiment avec des, armes. Euh, les bandits venaient en masse, euh, lourdement armés. Mm. ils viennent tuer, ils viennent enlever des personnes. Cette insécurité a pris de l'ampleur à partir de l'année. Comparativement à cette année, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu plus d'actes de terreur cette année que l'année dernière Effectivement, cette année, il y a eu d'actes de terreur, mais pas comme l'année dernière, parce mm. que des mesures ont été prises. comme je le disais, ces personnes viennent nuitamment. Ils attaquent euh, les villages euh, et euh, c'est les villages les plus touchés qui étaient vraiment très concernés par les enlèvements et les, et les attaques, c'était les localités de Gabi qui est dans le département de, de Madaronfa. Plusieurs villages ont été attaqués, des hommes ont été enlevés, il y a eu des morts d'hommes. Si vous vous rappelez, en tout cas, la, dernière grosse attaque, c'était dans le village de Chirgué. Mhm où des bandits armés étaient venus à euh, plus d'une centaine à euh, moto. ils, ont, ils ont attaqué le village. Euh, il y a eu six morts et beaucoup de bétail importé. Est-ce que les autorités, en tout cas, ont, ont, apporté la réaction proportionnelle qu'il fallait et quel genre de mesures ont été prises à ce jour Des mesures ont été toujours prises. Hein. il y avait la patrouille mixte mmh. qui sillonnait les villages le long de, de la frontière. Mais beaucoup de personnes, beaucoup euh, euh, d'autorités euh, ont parlé de complicité des villageois. Parce que les FDS sont en, mouvement. Ça veut dire qu'une fois qu'ils se déplacent, qu'ils vont, qu'ils passent d'un endroit à l'autre. Derrière eux, il y en a qui, peuvent toujours revenir. Effectivement, ils ont des appels. Ils les appellent, bon, venez, euh, la patrouille a, passé, parce que quand elle passe, c'est difficile pour la patrouille de revenir. Et c'est comme ça, ces gens, ces gens opéraient pour... Euh, Mais est-ce que euh, des mesures sont en train d'être prises pour gigler justement ces jardins? Justement, depuis l'attaque de, de Chirgué, où devant tout le monde, le gouverneur a, a interpellé... Euh, les FDS, euh, cette euh, localité a été vraiment sécurisée. Il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté un peu avec le maire de Gabi qui m'a parlé d'une accalmie vraiment mm, relative, qui, relative, relative, qui, s'est instaurée. même s'il y a des coups de c'est de l'autre côté, parce mm. que vous savez, hein, c'est du côté, du Nigeria, en tout cas pas du côté du Niger. La patrouille en tout cas a été renforcée les militaires sont là et ils patrouillent le, long de la frontière de Gabi. Maintenant, qu'est-ce que eux ils ont fait, les, bandits Ils ont quitté Gabi aujourd'hui, ils sont retournés vers Danissa. Oui, justement, parce que dernièrement, on parlait de Danissa aussi. Ça veut dire qu'ils sont en train de se déplacer. Euh, justement, justement, parce que quand ils ont compris que maintenant, dans les localités de Gabi, ils ne pourront, ils ne peuvent plus en fait sévir, mm. qu'est-ce qu'ils ont fait ils, ont, ils se sont transportés vers euh, Et euh, selon le maire que nous avons eu au téléphone, il nous a expliqué que euh, du 2 octobre au 14 octobre, il y a eu quatre attaques où il y a eu quatre morts d'hommes, quatre, quatre, morts et une centaine de, de, de, bétail importé. Donc ils ont compris aussi que ça a été un peu délaissé parce que tout le monde regardait vers, vers, vers Gabi. Euh, la patrouille a été renforcée de l'autre côté. Donc voilà, ils ont, ils ont contourné. Ils sont en train de faire des méfaits. Même si... Gabi et dans Issa, on a à peu près une distance de, de C'est pas très loin c'est dans, le même département. Hein. Mm. C'est le même de département de, Madaronfa. Euh, c'est pas très loin. Hein. Donc c'est des, des, des, communes qui sont côte à côte. Et puis voilà, donc maintenant ils, font, ils rentrent du côté de Katina parce que du côté de Gabi, les voleurs venaient de Zanfara, Sokoto. Et maintenant ils ont contourné tourner. Comme Kachina et ça c'est pas très loin, c'est mm. juste à côté. Mm. Donc maintenant, ils, passent par euh, Kachina pour euh, venir faire leur forfait. Bien. Merci Mohamed Maman. Restez avec nous. Donc, euh, j'ai je, demande aux autres invités, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui voudrait réagir ou commenter cette situation qui se vit à, à, Maradi. Lawan eh, merci beaucoup, Alassane. Et eh, par rapport à la situation de Difa quand tu prends la région de Maradi, mm. c'est presque les mêmes scénarios qui sont en train de se dessiner. Mm. Et par exemple, la, région de Difa, c'est comme ça que eh, les terroristes ont envahi la région. Sinon, c'était comme la région de Maradi, petit à petit, c'est des vols, c'est des petits vols, c'est des gens qui venaient du côté de nos voisins, mm. qui font leur forfait et qui retournent. Maintenant, quand tu prends par exemple le scénario qui se présente à Maradi, c'est presque la même, eh, les mêmes scènes que, qui a débuté dans la région de Difa. Ce qui veut dire qu'on a tout intérêt à, euh, prendre, des, mesures... adéquates euh, pour un peu vraiment solutionner ce genre de, choses, pour qu'il ne faut pas, après que les choses euh, envahissent complètement la région. Moussa Maman Bon, moi, c'est que. De, voilà, merci Alassane. Moi, ce que je vais ajouter par rapport à ce problème de maladie, mm. moi, je pense que la population doit aussi faire quelque chose. Mm. Parce que c'est une question de frontières il faut qu'au moins la population puisse aider les, forces de défense. Et avec des renseignements. Voilà, avec des renseignements. Parce qu'aujourd'hui, si cette population-là euh, s'investit pour aider le les, FDS avec des renseignements, je pense qu'on peut juguler ce problème de, de maladie. Parce que c'est une question de frontières. C'est que Moussa vient de dire. Tu sais, au juste, ce n'est pas que la population ne veut pas collaborer. La population veut collaborer. Souvent, ce sont ces gens-là à qui on donne les informations qui ne réagissent pas. Souvent, tu donnes de l'information. On vient, toi qui as donné l'information, on t'expose. Ou on te, on, on, te met, on te met à nu où on t'arrête pendant quelques, quelques jours pour des interrogatoires, tu vois. Donc, mais est-ce que ces gens-là, quand ils voient ces choses de les autres, ne peuvent pas intervenir pour donner des informations Au juste, c'est euh, ça qui fait le problème, c'est qu'il n'y a pas un encouragement, voilà, un encouragement. au niveau de. Oui, je sais ce que j'ai dit parce que, par exemple, dans ma région, c'est ce qui s'est fait. Mm-hmm. Les gens, ont, sans tabou, hein, mm-hmm. les gens ont commencé à ne même pas donner des informations. Mm-hmm. Merci. Bien, nous allons passer au, suivant sujet. Donc, euh, avec l'état de et les frontières sont fermées. Pour parler de, euh, cette question, ça fait déjà deux mois hein, que ces, frontières sont fermées depuis le 20 août précisément. Mmh, mmh. Et cette situation n'est pas sans conséquence sur les activités commerciales du, Niger en général et de la région de Zander euh, en particulier. Moustapha Mansani, comment les populations ont accueilli cette nouvelle de, les, premiers jours, la fermeture des frontières avec le Nigeria. En tout cas, la fermeture des frontières là était, était, une fermeture en tout cas brutale. Mm. Les gens étaient partis comme d'habitude euh, faire leurs affaires commerciales. Malheureusement, juste arrivés à la frontière, ils ont trouvé que la frontière était fermée mm. et qu'ils ne, qu ne pourraient pas accéder. Mm. Les véhicules qui partaient et les véhicules qui sortaient étaient bloqués au niveau de la frontière. Des deux, côtés. Des deux côtés. Donc c'était vraiment une, euh, une longue file de véhicules au niveau de la frontière. Mm. Ce que j'aimerais préciser, c'est que ce n'est pas pour la première fois que le Nigeria ou le président Bahari ferme la frontière au Niger. Mm. Euh, on se rappelle en 1983, quand il était arrivé au pouvoir, il avait fermé la frontière pendant deux ans entre 84 et 86. Mm. Et cette euh, fois-ci encore, euh, il reprend, le même Bahari ferme encore les frontières. Mm. En tout cas, c'était une grande surprise. Les gens n'étaient pas du tout contents. il en parlait, surtout les commerçants qui partaient chaque jour au Nigeria venir. Les gens se posaient des questions sur la raison réelle de, la fermeture de, ces, frontières. la raison officielle avancée par euh, Abuja, c'était en tout cas pour lutter contre la contrebande, mm. notamment pour lutter contre euh, en tout cas certains produits qui rentraient au Nigeria. Mm. il faut noter que ce n'est pas seulement le Niger et le Nigeria, mais il le Niger, le Nigeria et le Bénin. Donc euh, c'était les deux frontières et c'était pour lutter contre la contrebande, mm. notamment des produits agricoles. Hmm. Le Nigeria ne voulait pas, voulait appliquer une, euh, politique protectionniste. Hmm. Il ne voulait pas que le riz rentre, euh, donc il voulait euh, promouvoir en tout cas la culture du riz locale mm. et promouvoir de, de cette même manière les agriculteurs locaux. Donc, euh, il a décidé de fermer ses frontières. C'était la raison, en tout cas, mm. donnée par l'État nigérien. Mm. Alors, quels sont aujourd'hui les effets de cette fermeture des frontières sur les marchés de la région de Zander et sur le secteur en En tout cas, les effets sont énormes. Il y a, on, on note une euh, rareté de certains produits et d'autres ont renchéri de prix. Mm. Et, puisque pratiquement chaque matin que Dieu fait, les, les, zones en tout cas frontalières, quand vous prenez les 1487 km de frontières que nous avons avec le Nigeria, mm. en tout cas chaque jour ce sont des allers et retours. le euh, le Niger ne fabrique presque rien et tout est importé du Nigeria. Euh, le simple, euh, les simples brins d'allumettes, il faut l'importer du Nigeria. Donc vous voyez comment est-ce que cette fermeture va avoir beaucoup de conséquences. Aujourd'hui, vous allez voir les prix en renchéri. Prenez les matériels de construction, prenez par exemple les produits manufacturés, prenez le carburant également, mm, parce mm. que le carburant nigérien euh, n'est pas consommé dans à l'intérieur de ces zones frontalières. Frontalière. Mm. C'est le, carburant du Nigeria qui est, qui, en tout cas consommé. Donc, euh, Et beaucoup de gens aussi se trouvent en chômage technique, notamment en les tout transporteurs. Cas, en chômage technique, à les transporteurs, les petits commerçants aussi, parce que malheureusement, Heureusement, nous, nous n'avons que des petits commerçants, ce qui fait que même le prix eh, a augmenté rapidement dès qu'il y a eu la fermeture, puisque eh, un commerçant qui ne peut pas faire une commande qui va durer un mois, deux mois, donc c'est vraiment un petit commerçant. Mm. Généralement, on part, on achète, c'est juste pour euh, un, deux jours, on retourne, ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a plein de conséquences. Les jeunes n'ont pas eu le temps de faire des stocks. Euh, oui, on n'avait pas. En fait, c'était, je, je l'avais dit, c'était brutal. C'était brusque et que si au moins, on avait donné un délai, les gens allaient en tout cas se préparer en conséquence. Malheureusement, il n'y a aucun délai et donc euh, euh, c'était arrivé comme ça et donc euh, ça, ça, ne fait que, ça ne peut que faire beaucoup de conséquences. Quoi. Mm-hmm. Bien. Merci, Moustapha Mansani. Nous allons demander à nos autres collègues et confrères de, réagir par rapport à ces fermetures de frontières parce que les frontières avec le Nigeria, ce n'est pas seulement qu'avec la région de Zinder, c'est avec aussi Maradi, c'est avec euh, Difa, euh, Mohamed Maman de Maradi. Ah, bah, je, pense que hein. on va venir. Mustapha <laughs> a vraiment expliqué. Euh, la situation qui prévaut pratiquement dans toutes les régions là, qui sont à côté du Nigeria. Mm. Et même à Maradi, c'est la même chose. Hein. Mm. Les gens se sont levés un beau matin voulant rentrer au Nigeria. Malheureusement, la frontière était fermée. On a fait au moins 48 heures les gens se demandaient mais qu'est-ce qui se passe mm. Parce qu'il y avait euh, un important dispositif euh, euh, sécuritaire qui mm. était de l'autre côté du Nigeria. Personne ne rentrait, personne ne sortait, et même l'information ne, passait pas. Quand on demande, parce que les, le syndicat des transporteurs euh, a voulu donc savoir euh, de quoi il s'agit, euh, ou bien de quoi il s'agissait. les militaires ont dit, ils ont juste eu euh, un ordre venu de, de, de Abuja. Eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui, la situation a commencé à s'alléger un peu parce que eux-mêmes de l'autre côté, ils ne pourront pas tenir. Mm. Ça, il faut le dire. Mm. Euh, les activités économiques vont toujours se, passer, quelles qu'en soient les conditions. Mm. Euh, les, frontières sont, larges, les frontières sont poreuses, euh, les produits rentrent. Vous voulez dire que la, question de la fraude va être Justement, ça, ça va créer la fraude. Ça va créer la fraude parce que, comme on le dit, l'homme va toujours manger, l'homme va toujours faire le commerce. Est-ce que déjà, pour le cas de Maradi, est-ce qu'il y a des conséquences particulières non, les conséquences sont, les mêmes parce que nous, euh, toutes ces localités qui sont sur la frontière euh, font, tout avec euh, grâce au Nigeria. Hein. On mm. importe manger grâce au Nigeria, les légumes rentrent grâce au Nigeria, en fait tout. Donc, voilà, donc c'est vrai, les produits, il faudrait le dire aussi, les produits rentrent, mais pas comme avant. C'est vrai, il y a toujours des moyens pour contourner, mais les prix ont renchéri, ça aussi. Euh, ça fait l'affaire des, des, spéculateurs. Mmh, euh, et puis voilà. Mmh. Lawan de, DIFA. Oui, moi je, vais même d'ailleurs euh, aller au-delà. Mmh. C'est-à-dire, Bahari a fermé ses frontières, d'accord. Mais tout à l'heure, Sani disait nous, on n'exploite même pas une brène d'allumettes. Mmh. Alors, mais on devait créer des conditions, des situations, parce que ça, j'interpelle moi les décideurs. quoi. Il faut qu'on travaille il ne faut pas tout le temps euh, se baser au Nigeria parce que le Nigeria est notre voisin, ou, bien on dit, bon, c'est la frontière qui nous sépare, ce nous sommes des parents, c'est vrai. Mais par rapport à ce genre de situation, tout à l'heure, il a évoqué en 83, Bahari a fermé la frontière. Cette fois-ci, il a fermé. Peut-être bientôt aussi, il va encore fermer, même si ça ou quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire, il est préférable, dès à présent, il faut prendre des mesures de mesures adéquates pour que vraiment, parce que comme l'a aussi évoqué Mohamed Maman, c'est-à-dire de deux côtés, on sent ça. Même ceux du Nigeria, ils sentent ça. Les commerçants et autres euh, Nigériens sentent ça parce qu'ils ne vendaient pas. Ce sont les Nigériens qui partent. Et je t'ai dit, et je dit en tant que du, euh, je du Falais, tu vas voir, c'est des, des, camions tchadiens, c'est des camions soudanais qui transitent par Difa à partir de Kano. Aujourd'hui, la, la, frontière est fermée, donc maintenant tout le monde est perdant dans mm. cette situation. Mm. Même si par hasard, lui, il est en train de créer, c'est une politique à lui, et mm. Bahari, de faire promouvoir certaines de ses, de activités qui sont au pays. Donc moi, Bon, ok, tu vois. Voilà. Euh, vous voulez ajouter quelque chose Je voulais ajouter le fait que c'est, en tout cas, la fermeture profite aujourd'hui aux douaniers parce qu'au niveau des frontières, ce sont les douaniers nigériens qui prennent les produits pour les traverser. Aujourd'hui, c'est en tout cas les douaniers sont, en tout cas, ils ont fait, ils, font des affaires par rapport à ça. Donc, euh, en tout cas, euh, c'est les commerçants nigériens, comme l'a dit et, euh, le, commerçant nigérien et nigérien souffrent. Mais par contre, de l'autre côté, les douaniers, ils font leurs affaires. Vous voyez, également pour le pays, l'État nigérien, aujourd'hui, il y a moins d'entrées pour, les recettes, pour, douanières. Donc, aujourd'hui, il, a fermé la, euh, euh, frontière. On parle aujourd'hui de, l'électricité ou le Niger, le Bénin sont mm. dans dans le collimateur. Je pense que je pense qu'on est encore indé, on est encore dépendant. Dépendant, donc il faudra trouver des solutions hmm. euh, pour vraiment. Oui, c'est pourquoi effectivement j'ai un peu évoqué par exemple la situation pour interpeller nos décideurs. par exemple l'histoire des barrages de Kandaji, là si on avait fait ça nous-mêmes on allait vendre l'électricité. Bien, Moussa Maman, d'Agadez. ce que, Moustapha que Mustafa a dit là, cette bombe là a touché toutes les régions du Niger parce que tout simplement. Même Agadez. Même Agadez parce qu'aujourd'hui euh, ça touche même le bas peuple, le pauvre, parce que les commerçants n'ont rien à voir, ils ont monté les prix. Vous voyez, donc moi je, veux dire que l'État doit prendre des mesures, des mesures d'ailleurs urgentes, parce que tout simplement la population est en train de souffrir. Parce qu'à Gadez aujourd'hui, si tu vas dans le marché, les commerçants là ont reçu les prix et malgré tout Chacun prenant le prétexte de la, voilà, de la fermeture de, frontières. Vraiment, je pense qu'il faut que l'État puisse faire quelque chose. Bien. dans la région de Difa, euh, nous, en venons, la Komadougou Yobe, rivière qui sert de frontière naturelle entre le Niger et le Nigeria, sur une longueur de 150 km avant de se jeter dans le lac Tchad, bien sûr, connaît une crue précoce. Cette dernière a causé d'importants dégâts dans des champs et des périmètres irrigués de la région, mais aussi des villages vidés de leurs habitants. Euh, Lawan Boukar, euh, correspondant, notre correspondant à Difa, voilà, Lawan Boukar de la radio Enfani, cette crue de la Komadougou, est-ce une première Les services compétents ont-ils averti les habitants sur l'imminence de, ces inondations ou pas oui, Alassane, effectivement, c'est vrai, comme tu l'as dit encore, et c'était très précoce. Et c'est une première précocement. C'est une première parce que généralement, la crue de la Comadougou eh, s'effectue entre le mois de janvier et février et au moment un peu de la période fraîche. Donc, euh, elle est en avance d'environ de, deux mois. D'environ deux mois. Mm. Et sinon, et je crois quelques jours avant sa crue, je crois les services, euh, par exemple, de l'ONAHA sont informés. Ils ont même un peu informé, par exemple, les producteurs. Ils ont pris des dispositions et euh, un travail presque de 10 jours mm. qui a été emballé par la Comadougou. Donc tout est revenu à zéro. Mm. Donc euh, ça, vraiment, c'est une première. Mm. par rapport à sa crue, parce que c'est précoce, très précoce, et on n'a jamais eu, en tout cas... Et l'ampleur des dégâts. Bon, l'ampleur des dégâts, on estimait, parce que par exemple, j'ai euh, échangé avec le responsable de l'ONAHA, de mmh. DIFA, mmh. qui m'a un peu parlé, par exemple, de 160 hectares. Mmh. Et sur les 160 hectares euh, de périmètre euh, de riz, à peu près 100 hectares ont été inondés. Et en ce temps-là même, il disait vraiment, il craignait aussi les restants d'être inondés. Maintenant, pour les périmètres, pour les champs traditionnels qui ne sont pas des périmètres. Mm. Et j'ai interviewé quelqu'un, un, agronome, un, agriculteur agriculteur, du moins, un producteur euh, traditionnel qui me parlait à peu près presque de 400 hectares mm. qui ont été inondés. Donc tu vois, c'est que c'est vrai, il y a eu vraiment beaucoup de dégâts. Mm. D'abord, ça a commencé à partir de Méné. Et ainsi de suite, euh, ça a poursuivi jusqu'à la commune rurale de Chetimari et ensuite jusqu'à Difa. Mm. Néanmoins, maintenant, nous sommes arrivés à un, petit accalmie. Mm. Et maintenant, c'est un peu temporisé. Donc, euh, on suppose que peut-être euh, ça, ça, va maintenant. Mm. Mais quand même, il y a eu vraiment des dégâts. Et comme tu l'as annoncé tout à l'heure, il y a eu des villages qui ont été abandonnés. Par exemple, le site, le village de la Sebelté et, qui a pris le nom du, de la, du périmètre de Sébelté, mm-hmm. donc qui a été inondé. même le gouverneur a affecté des visite là-bas. Il y a mm. le village de Chetimari qui est à peu près quelques 3 km de Difa, mm. qui a été déserté par la population parce que l'eau a pris euh, le village. Et maintenant, quelques villages qui ont été, qu'on avait un peu peur qu'ils allaient être touchés, bon, n'ont pas été touchés. Justement, vous, vous étiez sur le terrain. À combien estime-t-on aujourd'hui le nombre de sinistrés Oui, euh, Exactement, moi je n'avais pas ces chiffres, mais tu avais un peu avancé tout à l'heure, tu parlais de, 23 000. en tout cas, moi j'ai... Sinon, le maire, on avait oui, mon, le téléphone, euh, il, a, il parlait de 952 ménages touchés. Hum. Voilà, effectivement. c'est Ça, c'est en termes de, en de, ménages. Voilà, voilà c'est en termes de, ménage ménages que je vais hum. revenir parce que j'ai vu un tweet de OCHA hum. qui parlait de 7200 ménages. Donc, euh, peut-être euh, ça, peut concorder avec celui prononcé par le maire. Mais quand même, de toute façon, il se pourrait que jusqu'ici, on n'a pas encore, par exemple, le bilan concret, parce que je suis même allé à la Chambre régionale d'agriculture. En fait, ces chiffres de 23 000, il y <coughs> avait récemment les, les, députés, et les, en tout cas les autorités de la région, les députés notamment, qui ont fait une communication dans laquelle ces chiffres ressortaient. Mm. Et sinon, il y avait aussi même des gens qui ont fait vraiment, qui ont lancé des cris d'alarme ou mm. des, des appels à l'endroit des autorités pour dire que vraiment, par rapport à cette situation, il faut que l'État prenne des dispositions au moins pour amener des ventes à prix modéré des céréales parce que au moins. Est-ce à dire qu'à que à ce jour il n'y a pas eu de soutien apporté à, à l'appel de en tout cas de ces gens? Bon, en tout cas, le gouverneur est à, pied d'œuvre et également certaines structures des ONG et projets qui est en train de voir comment il faut aider ces populations-là. Parce que déjà, quand j'ai quitté Difa, la population, par exemple, du village de Chitimari était logée dans l'enceinte de l'arène de jeu traditionnelle de Difa qui avait même reçu la visite du gouverneur, du maire et tout le staff de la région avec euh, les organismes tels que les projets et ONG. Et des dispositions, je crois, ont été prises et vraiment, ça continuer à être euh, prise parce qu'il faut nécessairement prendre des dispositions parce que des gens ont quitté d'abord leur village, leur site, donc tout ça là. Et qui ont tout laissé derrière. et leur moyen de subsistance absolument. donc il faut euh, créer sous les De, choses urgentes pour euh, permettre à ces populations-là un, soulagement. Hmm. Bien. Euh, des commentaires je, voudrais juste dire que c'est vrai, on parle de précocement de, de la de Gouyoubé, mais il faudrait aussi se rappeler que en, début de saison, euh, la météo a dit qu'il va pleuvoir, il va beaucoup pleuvoir cette année. Il mm. Et il faudra pas oublier aussi ce changement climatique. Mm. Euh, il faudrait qu'on, dans, nos politiques aujourd'hui, dans, nos prévisions, qu'on tienne compte de ce changement climatique mm. qui est là, que, qui est en train de se faire ressentir. Imaginez, nous sommes en fin octobre il, pleut, il, continue à pleuvoir. Mm. on nous sommes en fin octobre. Euh, a, y a pas, la fraîcheur ne s'est pas encore installée. Donc, euh, inexorablement, ce changement climatique est là. Et je pense que nos, décideurs. Cela pose la question de l'adaptation, la, de justement. Justement, et, même dans nos, et même dans nos politiques, euh, il faudrait vraiment. De planification. Absolument, comme l'a dit Mohamed Maman, parce que aujourd'hui, même les villageois mm. savent qu'aujourd'hui, euh, par rapport à cette situation, ils parlent de changement climatique. Ils disent que c'est une réalité. tout le monde se pose la question. Donc, dans le temps, on parlait de changement climatique. Ils disent qu'est-ce que c'est voilà, mais ils ont des exemples voilà, réalité. Il est comme. Moustapha Mamansan. Oui, donc euh, j'aimerais euh, préciser ici avec euh, Mohamed que nous assistons de plus en plus, en tout cas, une recrudescence de la pluie. À un moment, il y avait une période sèche, mais aujourd'hui, c'est vraiment le retour de la pluie. Hmm. La pluie commence à revenir comme, dans, comme au, temps d'antan. Hmm. Et donc, ça, c'est. Il y a également une, euh, en tout cas, recrudescence des, des, hmm. C'est-à-dire que l'eau, aujourd'hui, quand il pleut, l'eau n'infiltre pas assez. Parce que qu'on euh, a des paysages déserts aujourd'hui avec voilà. Euh, la désertification. Donc, l'eau ruisselle. oui. Voilà, l'eau ruisselle, c'est qui fait que maintenant les mares et autres là se débordent. et puis voilà, on assiste à ces, à ces scènes d'inondation. Hmm. Voilà. Moi, ça Ce que je vais ajouter, est-ce que je vais demander à Lawan, est-ce que l'État a pu faire trouver des solutions euh, par rapport à ces sinistrés Parce qu'on parle de 23 000 et quelques, vous voyez, le nombre est énorme. quelle solution vous voulez dire en, en termes d'assistance D'appui, d'assistance. D'assistance et a pris prise en charge. C'est comme je te disais tout à l'heure, déjà. Pas seulement l'État, euh, oui, les partenaires aussi. Absolument, les partenaires et également l'État même. Euh, comme je te disais tout à l'heure, le gouverneur est allé même voir, il dit que dans l'interview même qu'il a accordée, je crois, ils ont même diffusé sur Kalangu, il dit que ce qui leur tenait à cœur, c'est vraiment de voir ces populations-là euh, casées quelque part et, prises pris euh, déjà en charge. Quoi. Mm. Donc, des mesures sont déjà prises, mais jusqu'à aujourd'hui, je crois, comme je te disais aussi, la population de Chitemari qui est basée, par exemple, dans l'enceinte de l'arène, déjà sont prises en charge mm. avec, euh, par l'État et également avec les partenaires tels que le projet ONG et également le CCA, le, la, cellule la crise alimentaire. Mm. Donc, ils sont à pied d'œuvre pour vraiment permettre à ces mm. populations-là de vivre un peu au moins dans un climat euh, serein. Quoi. Mm. Bien, euh, nous passons à, nous allons à Agadez. Voilà, pour parler toujours inondation et déchargement climatique. Agadez, euh, je le disais, où il y a plus de 1800 élèves qui manquent de classe, c'est un effectif de 3350 élèves des écoles Misrata 1, 2, jusqu'à 4, hein. c'est ça. Le 2 octobre, le comité de gestion de ces établissements COGES a tenu même une, réunion d'urgence et a lancé un cri d'alarme euh, aux parents d'élèves, à l'État et aux partenaires de l'école, en tout cas pour venir à, l'aide de, tous ces, enfants qui, sont privés de classe. Moussa Maman de la radio Nomade FM, dites-nous quel est le nombre de classes exactes endommagées par les eaux. Bon, à la rentrée scolaire, euh, le directeur régional de l'enseignement primaire a fait cas euh, d'une vingtaine de classes qui ont été endommagées. Mais nous, quand on a été sur le terrain, on a constaté une quarantaine de classes qui ont été euh, endommagées. Donc, les endommagées Oui, euh, ils, ont, ils, ont, été touchés, il y a mm. eu des dégâts. Mm. Donc, il y a eu d'énormes dégâts parce que les, les dégâts sont énormes et qui se résument comme suit 31 classes en banco effondrées, 9 mm. classes en paillotes détruites, 6 classes en matériaux définitifs hors d'usage. Hein tôle emportée, murs fissurés, et un, important stock de manuels détruits. Mm. Et il y a 80 tables aussi euh, endommagées. Mm. Est-ce qu'une solution a pu être trouvée à ce jour pour ces quelques 1800 élèves en retard par rapport aux autres Solution, pas du tout. Parce qu'au début, les autorités sont conscientes de ces problèmes. Ils ont euh, dit qu'ils vont demander aux partenaires pour faire quelque chose. Mais jusque-là, rien. Ça veut dire que ces élèves sont, encore, sont à la maison Pour le moment, certains parents d'élèves ont cotisé 2000 francs chacun. Ils ont à travers les oui, de gestion. L'effort de parents d'élèves, ils ont, ils ont construit 18 euh, euh, classes. Ça, c'est un effort de parents d'élèves. 18 classes, 18 classes. En Payotte. En Payotte, oui. Et tout récemment, il y a, un jeune, Rachid Kolo, mm. il a pu mobiliser euh, certaines ressources mm. avec l'appui de certains jeunes aussi d'Agadez. Mm. Ils ont pu euh, construire euh, cette euh, classe en paillotes. 18 plus 7, 25, 25 classes. Voilà pour le moment. Il y a donc l'UNICEF aussi qui a donné 75 tentes qui a, a offert 75 tentes euh, à ces écoles-là. Mm. Quelle a été la réaction de, l'État Quelle a été la réaction des autorités locales Il n'a pas réagi pour le moment parce que tout ce que j'ai dit là, c'est ce qui a été fait. Pour le moment, c'est mm. ce que le docteur d'école nous a dit, les parents d'élèves nous ont dit, mm. c'est ce qui a été. Pour le moment, l'État n'a pas réagi. Mais quand même, il a alerté le, docteur, la direction régionale de l'enseignement primaire. On a lancé un cri de guerre auprès de partenaires. jusque-là, c'est l'UNICEF qui a réagi. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, vu ces aides apportées par, par la jeunesse, par les parents d'élèves, euh, en construisant ces paillotes, est-ce qu'on sait aujourd'hui combien d'enfants ont pu être pris en charge et quel est le, le, besoin qui, en tout cas... le besoin pour le moment, 18 classes. Donc, euh, c'est euh, l'école a besoin de 18 classes. Et pour le moment, c'est 1200 élèves qui sont pas on ne peut pas dire sans classe parce qu'il hmm. il y a eu une pression de, des autorités pour que, euh, que ces élèves-là puissent revenir. Hmm. Et ils sont entassés dans des classes. Il y a des classes, tu vas voir, 180, 170 élèves. Pour ça veut dire qu'il y a une sorte de, répartition des, élèves, dans des classes. Mais sinon, 1200 élèves, c'est au début, c'est tout récemment, c'est ces élèves-là qui n'ont pas de classe. Mm. Mais à, travers les reportages qui, ont été passés, donc l'État a pris des mesures pour que les élèves la retournent à l'école et se remettent avec ses amis pour qu'on puisse compenser, pour qu'on dise que tout le monde puisse rentrer en classe, mais quand même, ce n'est pas ça. Mm. Parce que 180, 170 élèves dans une classe, mm. il y a, y a, des problèmes mm. qui est là. Donc moi, je pense qu'il faut que l'État puisse faire quelque chose pour ça. Bien. Euh, quelle analyse vous inspire, euh, en tout cas, tout cela euh, et les défis que cela pose hein, au, niveau de, de, la région d'Agadez On parlait tout à l'heure du DIFA et les réponses apportées. Et là, nous sommes dans le secteur de l'éducation. Moustapha Oui, le secteur de l'éducation, en tout cas, moi je dirais que la situation d'Agadez n'est pas une situation, en tout cas, euh, isolée. Euh, ces problèmes de classe sont en tout cas le problème aujourd'hui de pratiquement toutes les régions, toutes les écoles. Euh, moi, je connais, et je connais une école où des élèves sont en tout cas entassés on a récemment fait un reportage dans classe là qui comportait euh, plus de 140 élèves, une seule classe. Vous voyez, on aurait dû euh, séparer ces élèves-là, faire trois classes au moins. Mm. Mais donc, compte tenu du manque d'infrastructures, donc euh, l'administration est obligée de les entasser, mm. bien que bien qu'en les entassant, il n'y a pas de résultat. Bon, mais ce sont, c'est une manière de gérer. Sinon, en tout cas, le manque de classe, c'est un problème, en tout cas, général. Hmm. Mohamed Maman de, de, euh, euh, Maman Maradi. C'est un problème général. Hmm. Et euh, ça m'amène à dire, aujourd'hui, on est en train de crier baisse de niveau, surtout au primaire. Il n'y a pas de classe. les élèves sont entassés comme dans une boîte de sardines. Euh, finalement, où est-ce qu'on va aller avec, cette situation C'est dire, euh, au lieu de rehausser le niveau euh, des élèves, on risque encore de, de, retomber. Et nous savons combien, combien le, les indicateurs au niveau de l'éducation jouent dans l'indice de développement humain. Mm. C'est dire que le Niger est en train de continuer à euh, c'est-à-dire, ces problèmes sont en train de tirer le Niger vers le bas. Des solutions ne sont pas encore trouvées. Vous imaginez mille et quelques euh, euh, élèves qui se retrouvent un matin, ils viennent à l'école, il n'y a pas de classe. C'est compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, il est, il est plus que nécessaire c'est même euh, d'une manière urgente que des solutions doivent être trouvées, euh, parce que c'est là où c'est compliqué, c'est le, c'est la base. Euh, quand les enfants perdent la base, c'est compliqué. Et je pense qu'il est, il est, il est, tout à fait logique aujourd'hui que, de partout que les gens, que les gens se soulèvent, que les gens parlent, pour dire qu'il faudra que, qu'on, améliore les conditions. Euh, à Maradi, c'est la, même chose. Hein. C'est la démographie galopante aussi qui, qui, contribue à tout cela. Mm. Euh, des classes de, de 160 avant c'était quoi 40-50 élèves. Mmh. Aujourd'hui, c'est 140, euh, 150 euh, élèves euh, dans une même classe. C'est compliqué. L'enseignant, il va, il, va, va, il va dispenser le cours comment Les enfants vont comprendre quoi, Donc, c'est compliqué. Là, en Boukar, pour le cas d'Agadez, quelle aurait pu être la, réponse ou quelles doivent être les réponses en tout cas apportées à, cette situation Les réponses par les claires. Hein. Les réponses sont claires. si vraiment il y a une volonté politique, moi je crois que quand l'État n'est pas à mesure d'assurer ses classes, d'assurer ses enseignants, d'assurer ses élèves-là, il y a les partenaires. L'État du Niger a signé pratiquement avec beaucoup de partenaires des traités de droits de l'homme, des droits des enfants. Par exemple, aujourd'hui, eh, l'UNICEF qui est en train de soutenir certains paramètres ou certaines eh, décisions de l'État. Par exemple, dans la région de Difa, par exemple, l'UNICEF, eh, Plan Niger, quand tu prends en concerne des projets, il y a des projets qui mm. interviennent dans le secteur de l'éducation et qui, qui contribuent, par exemple, à certains, à certains niveaux. Et par exemple, quand tu prends, par exemple, les cas des réfugiés, les cas des déplacés sont encouragés ou sont entretenu par ces projets-là pour, accompagner l'État. Pour vous, l'État peut faire appel à ces, à oui, bien sûr. Bien sûr, quand l'État, aujourd'hui, quand l'État dit qu'il n'a pas de l'argent pour construire des classes, pour, par exemple, soutenir des enseignants, il peut faire appel à ces, à ces, à ces projets, à ces organismes pour dire que, bon, moi, je n'ai pas le moyen, mais vraiment, venez nous aider. Hmm. Par exemple, si on lance un cri d'alarme dans la région d'Agadez, on dit que vraiment, il y a des écoles qui n'ont pas de classes ou qui ont été détruites, mais nous voudrions que vous nous aidiez. Mais je crois qu'il y a des gens qui vont, qui vont répondre mais est-ce que est-ce qu'il faut tout laisser aux partenaires Non. Même si on ne laisse pas. laisser même la faut réponse la réponse à nos préoccupations. Moi, je crois que c'est très simple. Quand tu n'as pas les moyens de faire quelque chose dans une région, tu peux faire appel. Même si tu ne laisses pas, tu peux, tu peux jeter un, un, regard là-dessus. Mm. Et maintenant, avec votre collaboration, mais ces partenaires-là vont vous accompagner pour, pour, trouver des solutions. Mais quand tu dis que toi, tu n'as pas les moyens, tu ne, fais pas, tu ne fais pas appel à ces partenaires-là. Tu laisses, par exemple, comme il le dit mon, mon ami Moussa, il dit que c'est des parents d'élèves qui cotisent 1000 francs, 1000 francs pour faire des classes euh, de, de, de, paillotes. Ils ont construit. Euh, le problème aujourd'hui, par, exemple, quand on prend la région de Maradi, il y, y, a des écoles qui sont vraiment bondées d'élèves il faut, on parle de, de, recaser, de reloger ces, élèves, mais il n'y a, pas de, a pas de terrain. Euh, tout a été morcelé, même les places publiques ont été euh, quelquefois. c'est ça, voilà. ça Donc aujourd'hui, même, si on veut même si on veut faire des nouvelles créations, mm. il n'y a pas de place. Sinon, aujourd'hui, ce, voilà, ce, sont les écoles aujourd'hui, par exemple, toutes les écoles aujourd'hui que vous connaissez, ce sont aujourd'hui des écoles qui sont euh, divisées en plusieurs parties. Par exemple, quand je prends un exemple banal, mm. mais, là mais le vous allez voir 10 dans, le, dans la même. Euh, dans l'enceinte euh, même, vous allez voir mail un mail deux Des élèves, des enfants sont entassés comme des. Euh, Moi, je pense que c'est. C'est les conséquences du, manque de niveau. Jusqu'à, c'est ça qui fait que vraiment les élèves d'aujourd'hui n'ont pas de nouveau Parce que, imaginez 180, 170 élèves dans une classe. Comment Moi, j'ai dit que l'État s'est désengagé dans cette situation. Hein. Dans ce secteur de l'éducation, franchement, l'État s'est désengagé. Alors, euh, si vous voulez bien, nous allons parler sport. Euh, le MENA A prime qui, en tout cas, a pu décrocher son ticket, qui s'est qualifié, en tout cas, aux éliminatoires pour, pour les Chans. Euh, voilà, Mohamed Maman, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Et surtout face, euh, pas n'importe quelle équipe, face à la Côte d'Ivoire. Euh, même si c'est vrai, nous avons perdu 1-0 en Côte d'Ivoire, mm. nous avons fait le job ici, chez nous, en battant la Côte d'Ivoire 2-0. Mm. Ça veut dire que c'est une bonne chose. Mm. Maintenant, il ne faut, même si dans, dans, le champ. Le Niger euh, a toujours euh, euh, fait des bonnes choses. Je pense qu'il ne faudra pas faire de la figuration. Il faudra aller au Cameroun avec cette volonté, cette fois-ci, de, parce qu'on le, on, le peut. C'est les locaux. Hum, et je pense que le Niger doit quand même montrer que les joueurs locaux... peuvent faire, peut faire quelque chose. Parfois, on a vu souvent qu'après les victoires, on réussit oui, mais parce que, parce que tout simplement, les gens se disent que bon, on a gagné, ils pensent qu'ils ont atteint un, certain, un certain cap, alors que c'est en ce moment même que le sérieux doit, doit, doit, doit commencer, qu'on que doit redoubler deux fois. Il faudrait pas qu'on qu dorme sur nos lauriers pour dire que bon, nous sommes qualifiés, c'est fini, mais la compétition, elle va être rude, elle va être euh, compliquée, elle va être difficile, et donc il faut vraiment s'armer de courage pour euh, euh, y faire face et euh, voilà pour sortir euh, du lot et voilà permettre au Niger cette fois-ci peut-être de remporter la chaîne, même si on n'arrive pas à, remporter la Coupe d'Afrique des Nations au moins je pense que la chaîne eh, c'est quelque chose qui c'est à portée de main c'est possible Moussa Moi, je pense que cette victoire de Mena, c'est la victoire. de... prime Oui, oui, mais Mena prime. Hein. C'est une victoire de tous les Nigériens, hein. mm. bah, de tous les Nigériens aussi, parce que c'est une preuve que les joueurs locaux euh, sont le meilleur, moi, je peux le dire, parce qu'on les néglige les joueurs locaux là maintenant, c'est de meilleurs. Hein. Si vraiment euh, les staffs de, la fédération euh, euh, comprennent comprend maintenant, il, faut qu'ils se base qu'ils donnent confiance à ces joueurs locaux. Parce que ces joueurs locaux, c'est la base du football. la fédération, l'État, doit avoir confiance à ces joueurs locaux. Pourquoi même ne pas vraiment les, favoriser Parce que oui, en, leur donnant la chance de partir loin parce que les joueurs locaux, là, si vous constatez, ils sont délaissés. Ils sont délaissés, on les laisse toujours ici. Mais pourtant que c'est eux qui font quelque chose. Ça, c'est la preuve de cette victoire-là. De... Mais même le MENA, en tant que tel, aussi fait quelques preuves. à certaines occasions. pour qu'on aille loin, il faut juste faire la culture, euh, non seulement du patriotisme, mais du sérieux, hmm, de l'exigence. Euh, il faudrait euh, qu'on mette euh, vraiment du sérieux dans tout ce qu'on fait pour aller loin. Et je pense que la fédération et même les joueurs, ils doivent aussi se donner parce qu'ils ont accepté de faire du football leur, leur, leur, métier, leur, carrière. D'accord, mais il faut assurer aussi le minimum. je crois que cette victoire de Mena, Mena c'est vraiment une victoire. Surtout, moi, je tiens à féliciter l'entraîneur, surtout l'entraîneur Doula. Et tu vois, le fait de prendre le local comme entraîneur, ça nous a permis de faire, de voir quelque chose. Chaque fois, l'État entraîne, au lieu de payer un entraîneur extérieur, hein, il y a des gens qui, sont capables d'entraîner nos équipes. Et Harun Abdullah, il a, il a montré ses preuves aujourd'hui. Maintenant, l'argent qu'on devait utiliser pour chercher un entraîneur quelque part, on peut vraiment aider ces joueurs-là pour vraiment les soutenir. Je crois que à cœur rien d'impossible. Moustapha Moumansani Oui, voilà. Donc, euh, au-delà de la question de l'entraîneur, moi, j'aimerais dire tout simplement que c'est maintenant que le travail commence. Euh, en tout cas, les, les, joueurs doivent en tout cas se, se resserrer la ceinture, pour en tout cas montrer leur patriotisme pour que la suite soit en tout cas une suite également glorieuse. Quoi. Hmm. Voilà. Merci beaucoup et c'est sur ce que prend fin le forum de la presse d'aujourd'hui. Nous étions en compagnie de nos confrères euh, Mohamed Maman de la radio Garqua FM, Moussa Maman de la radio Nomade FM d'Agadez, Mustafa Mamansani de la radio et télévision Gaskia de Zender et Lawan Boukar de la radio Amfani de Difa. Présentation à scène Kouzi Mahamadou, la technique assurée par Issa Lawali. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes demain samedi et dimanche dès 17h avec lecture des jeunes en cinq langues suivie de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa sur le thème formation des militants des partis politiques et dimanche le forum en Zarma sur le thème corruption en milieu scolaire. Bonsoir.